Et je profite également de l'occasion pour lancer un appel à ces élèves pour dire que oh oui, nous allons désinfecter, nous allons prendre euh, toutes les dispositions, mais donc euh, de, de, prévention contre le Covid-19. Mais les meilleures dispositions qu'ils doivent prendre reviennent à eux, les élèves. Les mesures, en tout cas, de distanciation, le lavage des mains, le port de la bavette, prendre toutes les précautions pour limiter, pour éviter la contamination parce que le danger, c'est de prendre cette maladie dans une école et de l'amener dans la famille. Donc c'est pour cela que nous devons être vigilants. Nous devons en tout cas prendre les dispositions, continuer la sensibilisation pour que chacun et chacune puisse prendre conscience de la gravité de cette maladie, que cette maladie existe. Vous savez, le dispositif de lavage euh, existe même avant cette pandémie. Nous avons, c'est vrai, euh, il y a des, récipients qu'il faut mettre avec euh, de l'eau, avec du savon, mais dans nos pratiques, il ne faut pas que nous oublions que nous avons déjà la, la pratique d'utiliser des bouilloires, nous avons des robinets. Donc il faut que les gens aient ce réflexe à tout moment d'avoir de l'eau et du savon à côté. Et ça, de l'eau, du savon, c'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à, avoir les dispositifs qu'il faut pour avoir de l'eau. Ça existait depuis. Mais en complémentarité de ce qui existe, nous avons aussi des dispositifs qui sont mis en œuvre. Ce que nous avons en quantité, nous distribuons ça. Donc à certains endroits, nous en nous avons donné dans des mosquées, nous avons donné dans des centres de santé, nous avons donné aussi dans des, des établissements. Mais je ne peux pas vous dire que nous avons la quantité suffisante pour donc euh, donner dans tous les établissements.